je laisse la place. la montée des couleurs. Moi, je me nomme avant tout, je me nomme le sergent-chef Joseph Casimir Mbaye. Je suis de la musique principale des forces armées. Je viens de ces gens-là qui sont là derrière nous. Bon, on est là aujourd'hui pour parler d'un emblème. Nous, on a trois emblèmes. On a le drapeau, l'hymne national et la devise du Sénégal. On est là aujourd'hui pour la montée des couleurs. C'est notre drapeau. Je vais faire un peu l'historique des drapeaux qui sont passés ici au Sénégal. Le Sénégal avait eu son drapeau, son premier drapeau en 1858. C'était un drapeau de couleur vert et l'étoile jaune au milieu. Ça, c'était en 1958. En 1959, on avait eu un autre drapeau avec la fédération du Mali, qui avait le Soudan, le Mali et le Sénégal. Après cette dissolution, le Sénégal a eu son drapeau qui est là aujourd'hui, le 20 août 1960. C'est toujours après l'indépendance. Là, aujourd'hui, avec le drapeau qu'on avait antérieurement avec la Fédération du Mali, on avait le vert, jaune, rouge et un kananga. C'est comme un homme debout, au milieu. Ça, c'était l'or de la Fédération du Mali. Après cette dissolution, on a, le Sénégal a toujours adopté ces couleurs, mais le Kananga va être changé, va être remplacé par l'étoile qui sera au milieu. Je vais vous poser des questions sur notre drapeau. Quelles sont les couleurs de notre drapeau Vous pouvez répondre, répondez. Oui. Ok. On a le vert, le jaune et le rouge et l'étoile au milieu, qui a combien de branches Cinq branches. Quand on parle de la couleur verte, qu'est-ce que cette couleur-là représente Allez-y, quelqu'un, tu réponds. Ok, elle dit qu'elle représente la verdure. Et quoi encore La nature, oui. Et quoi encore Un garçon, oui. La fécondité, c'est l'animisme. La couleur verte représente, c'est la couleur de l'islam. Chez les musulmans, chez les chrétiens, ça représente l'espérance chrétienne. Et chez l'animisme, lui, il a répondu tout de suite, la fécondité. La couleur jaune, oui Comment La richesse, oui. Là, qui dit richesse et quoi encore Oui La prospérité. Maintenant, on va mettre un point là-bas. Qui dit richesse Avant d'avoir la richesse, qu'est-ce qu'on doit faire En premier, pour avoir la richesse, def oui waxal le travail voilà on peut pas avoir une richesse nga bëgg am xaalis ten do nango liggéey donc nek balaa nga am il faut nga nango liggéey à votre niveau lan ngeen wara def Jang. Jang ngeen wara def donc nek jang bi dafa discipline dans l'école dans les classes à l'extérieur même à la maison donc on ne peut pas développer ce pays dans l'anarchie bu woba développer, développer duñu am richesse et bonne couleur mo dess rouge représente cette couleur, grand Wahal hmm? Merci. Le sang versé par nos ancêtres. Et quoi ah. am nga Sénégal fii excès ba taxaw on est là aujourd'hui avec nos parents qui sont là ay nit ñoo xex ngir Sénégal am indépendance am am souveraineté ces gens-là nous tuur seen deret pour ce pays ba mu egsi fii tey donc xanaa les suñuy papi, yi suñu maam def ba ñu egsi bu ñun flambeau bi nous du ñu Nous ñun tamit notre rôle le plus absolu c'est quoi Faire ba Sénégal mun a développé wu ñu bañ sous-développement Vous a may Vous mu l'étoile oui voilà l'ouverture vers les cinq continents C'est ce étoile bi étoile boobu dafa remplacer kananga bi kananga bi boo leen comme nit loxo yi def la tête les deux bras le tanki... Si vous regardez... toi étoile bi nekk ci drapeau s'il te plaît talala mm. gis ngeen nu nous mel vous avez comme la tête mooy branche bi féete ci kaw les deux bras mon nef moi, la branche à droite et à gauche après mon am tanki. yi dafa mel ni comme nit bu taxaw li nekkoon ci Kananga mo nek c'est comme un homme debout et vous avez dit l'ouverture des cinq continents qui dit ouverture ouverture wax warna muna mun a accepter keneen ka nga xamantene ne wul Sénégal du sénégalais mu ñew ci suñu biir donc on doit accepter ñepp ku fi ñew ak lu mu munti doon est-ce que vous avez vu il faut jamais jamais dire à une personne que non doo sénégalais déedéet Sénégal Sénégal xamuñu lolu so buggee dem dëkk jambour il va falloir que nga accepter kenen ku fi coups. mais nek koku dafa wara top niñu wara doxale suñu rew pas comme on mu ñew ci Sénégal di def anarchie Nous, suñu bop dañu baña anarchie Ben, vous yi la discipline heureusement gisuma buñu ki amul xollitu ki hein donc ça ça fait partie de la discipline la propriété ci la bokk vous avez mangé vos bonbons sen naan ngeen vous cherchez une poubelle ngeen dougal ko fof sen enseignants yi ngeen nekkal seen classe les respecter seni parents seni morom respecté ku nek et moy tax suñu Sénégal bi mu avancé vous m'avez compris ah amul ay gros mots baxul amul ay gros mots je reviens sur le drapeau Solen len xoolee militaires yi fi taxaw pratiquement ko ci gis il a son drapeau donc le drapeau ça représente le pays le Sénégal donc munoo ñëw nga moi je représente le Sénégal may def lu ma neex ci dëkk jàmbur wala suñu dëkk drapeau bi moo drapeau ça représente vous les parents les enseignants le président de la République ainsi de suite donc man su ma jógee sama je représente le Sénégal ici dama dois avoir am comportement exemplaire que lu mu fa mën a def lu ñaaw rek dañuy wax ne ah xoolal sénégalais bi lu muy def or que ñun xamuñu loolu. ma ñëwaat ci le drapeau mi ngi nii c'est pas l'affaire des hommes de tenue c'est l'affaire de tout un chacun d'un sénégalais soo leen gisee ñuy yéegal drapeau da ngeen war a taxaw soo leen gisee ñuy wàccee drapeau da ngeen war a taxaw parce que mon mot nous soutenons ça représente tous les sénégalais drapeau Bagini, L'année le début du travail Bon, on est en classe à l'école le matin avant d'entrer on nga ana directrice voilà madame voilà le matin vous ñu xëysee na am ñaar couleur grandeur nature élèves mën nañ nek classe mais avant 8h nous ñu ñëw deux accompagnés d'un enseignant, ben enseignant le drapeau ça c'est le matin suñu waccion 13h ñu waccé drapeau bi intégrer ko intégré. ko wara intégrer Parce ko wara intégrer mom na wor malu parce que elle est sacré suñu boss bi dafa sacré donc nee drapeau bi vous leen demee ci camp militaire da ngay gis ñu 7h30 à 18h30 ñu wàccee ko day wone le début du travail et wàcc bi normalement su ma ñëwoon fii 13h gisuma drapeau bi yëg war naa xam ne école bi wàcc nañu chaque jour nag dañ ko war yégal le ko drapeau bi waru fi fanaan dinaa fi jaar de ana ok... Euh, euh, mon adjudant m'excuser na ngeen fi jaar wala ma jaar fi drapeau bi vous. un ko ex mu ci comme mes parents peuvent la seen un day nekk ci rouge rouge ah sont mes cousins pas de souci donc drapeau chaque jour dafa war un drapeau bi warul tawte les enfants drapeau bi warul tawte ñu ngi dem ci hivernage suñ ko yéegalee tout de suite bu tawone fi légui wiss dañ koy waccé intégré ko ce taw bi arrêté ñu yéegalaat ko donc ça montre la sacralité de ce drapeau war fi fanan war fi tawte te fi gis ngeen les enfants fii du fowkaay fii nii maa bi fii kenn du fi fo bu fi kenn fo parce que fii fi drapo bi nekk moo ñu sut ñun ñëpp bu fi kenn yéeg de ah ngeen ma loolu ah fii bu fi kenn yéeg waaw macha allah fleur yi rafet na parce que dem naa ci yenn école yoo xam ne.

dans l'anarchie mënul Nek, c'est dans la discipline qu'on puisse construire des ci développement dëkk bi suñu papa yaa ngi nii car machallah, nañu ils ont travaillé pour ce pays ba indi ko donc nag réew warul yakko suñuy loho warul yakko suñuy loxo sinon dañuy faillir à notre devoir lol la leen di dénk euh, xam naa wax bi xawna na xale nañ taxaw donc pour une première euh, je m'en tiens là-bas mon adjudant euh defna remplir na peut-être li ma waroon téye pour la montée des couleurs je sais que nous avons un hymne national voilà maintenant fille, on a une musique qui est là Vous jouez. jouer dañuy le drapeau ba mu après nous jouons jouer euh, l'hymne national Il ngeen di nous pincez tous suñu hymne national nu mu Nous suñu hymne national nous sommes tous. Pensez tous le tour... mais a un tour... ah a un tour... le lion rouge voilà Bon, le tour sur l'hymne national le lion rouge voilà le lion rouge sur sur l'hymne national les bu boobaa les vous yéegalee egg bu jouer il national que vous Pensez tous vos corps et j'ai confiance en vous Nous sommes pas mais je naa leen daal ah merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup et Des chefs d'établissement, mais aussi un grand merci aussi à la musique principale des armées. Vous avez honoré de votre présence à notre cérémonie. Bravo, on les applaudit encore très très très fort. Nous disons un grand merci aussi à tonton Joseph Casimir qui nous a fait une belle leçon de civisme. Mandefi su ma yéegee fii damay yàq fii parce que tam ñu naan ki tonton bi dafay foofi dootu ma yéeg fi léegi fii lay taxaw léegi fii lay taxaw balaa ñoo ne man tonton Moïse moo yàq affaire bi fii lay taxaw léegi monsieur le maire damay bañ suba ñu ne waa Wakaam dañuy yàq dañuy yàq jaxase drapeau bi je vous l'ai dit tout à l'heure nous avons le plus beau drapeau du monde soyez fiers d'être sénégalais je vous dis bravo et sans tarder sans tarder les amis nous allons accueillir une grande maman celle qui nous, porte, qui nous porte sous ses bras, qui nous conseille, qui a les yeux ouverts un peu partout. Je veux dire qui Madame la directrice, Madame Job, s'il vous plaît. Madame Diop. Avant de commencer, chers élèves, je voudrais que vous puissiez applaudir les forces de défense et de sécurité. Applaudissez-les vivement. Applaudissez aussi les invités ici présents à votre école. Merci beaucoup. Monsieur le maire de la commune de Wakam, Monsieur l'inspecteur, chef de district Wakam Ngor, Monsieur le représentant du commandant, chef de cabinet du général, chef d'état-major de l'armée de l'air, Monsieur le délégué de quartier de la cité Comico, Monsieur l'imam de la cité Comico, Monsieur le coordonnateur du CAPEP, Madame la coordonnatrice du CODEC, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs d'école, Monsieur le président du CGE, Madame la présidente de l'APE, Mesdames et Messieurs les enseignantes, enseignants et personnels d'appoint. Monsieur le Président du gouvernement scolaire de l'école Terme Sud, Mesdames et Messieurs, membres de l'Association des anciens élèves de l'école Terme Sud, Monsieur le représentant de l'association Pentium Dakaro, chers parents d'élèves, chers élèves, chers invités, en vos rangs et qualités, nous vous souhaitons la bienvenue ici à l'école Terme Sud. En ce jour, 29 avril 2024, le personnel enseignant et les élèves de l'école Terme Sud de Wakam ont l'insigne honneur de célébrer avec toute la solennité requise la journée de levée hebdomadaire des couleurs. À travers cette cérémonie de levée des couleurs, nous espérons que les élèves accorderont davantage de respect aux symboles de la République du Sénégal. En vérité, les symboles que sont le drapeau, le sceau, la devise et l'hymne national renvoient à notre comment vouloir de vivre ensemble. Chers élèves, ne percevez pas ce drapeau comme un simple morceau de tissu suspendu au sommet de ce mât. Il représente le symbole de la nation sénégalaise, c'est-à-dire le résultat des sacrifices de nos aïeux, de nos forces de défense et de sécurité. Par conséquent, nous devons l'aimer de tout notre âme, de tout notre être et de toute notre âme, en ayant en bandoulière les vertus cardinales que sont les vertus cardinales de citoyenneté que sont la discipline, l'amour de la patrie, la tolérance, le respect de son prochain, la persévérance, l'esprit de sacrifice. Cultivons ensemble le djom, le kersa et le moun. Soyez prêts, chers élèves, à servir votre pays de la plus belle des manières, à apporter votre pierre à la construction de la, nature, de la nation. Chers enseignantes, enseignants et personnels d'appoint, nous magnifions les efforts que vous fournissez quotidiennement pour la réussite de cette noble mission qui vous est confiée. Je vous appelle davantage à cette tâche sublime de construction nationale au nom de la République. À travers cette cérémonie, nous voulons également appeler l'ensemble des acteurs de l'école, enseignants, parents d'élèves, élèves, partenaires de l'école, à œuvrer davantage pour des enseignements-apprentissages efficaces, gage de bons résultats scolaires, car, en définitive, le but ultime de l'ensemble des actions qui sont menées au sein de l'école, c'est la réussite des élèves. Nous ne saurions terminer sans pour autant remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont toujours été à nos côtés je veux citer mais il faut nga len monsieur le maire ici présent pour la subvention ñu lay ñaan nga monsieur le maire subvention nous demandons toujours notre photocopieuse yow tu un ancien élève de l'école Terme Sud donc da nga war voilà c'est un cri du cœur nous serons terminés sans pour autant citer l'armée de l'air les barbelés que vous voyez là-bas c'est l'armée de l'air L'énergie solaire que vous voyez ici, c'est l'armée de l'air. Ils ont aussi, ces braves hommes, ils ont aussi réfectionné les tableaux et mis dans chaque classe un deuxième tableau. Merci beaucoup à l'armée de l'air. Merci aux anciens élèves de l'école Terme Sud. Merci à Pentium Dakaro qui nous soutient toujours et à euh, l'association Wakam Unité Citoyenne. Et principalement nag am na koo xam ngeen may ma ma remercier ko parce que bi ma nekk ci école bi ba léegi chaque jour dama koy woo xaaj guddi dama koy woo guddi dama koy woo bëccëg parce que dama gajoon ci école yi mais kooku daf ma jàppale bu ma ko cité cité naa ñeneen ni ma jàppale muy se Jabaxate may ñaan geen tàccul ma ko guddi gu ne chaque jour dama koy woo même guddi monsieur le maire honorables autorités administratives religieuses et coutumières Chers parents d'élèves, chers élèves, chers invités, en vos rangs et qualités, nous vous remercions de votre aimable attention. Merci. Est-ce que vous avez bien entendu Dieu merci. Et au passage, nous saluons la présence de M. Foli, euh, directeur de l'école euh, Bethel Academy et de El Shaddai. Monsieur Diabarate, l'incontournable, qui est là, euh, moi je me dis que c'est Monsieur Wakam maintenant, Monsieur Diabarate. Monsieur Diabarate, il ne rentrera plus euh, dans son Kédougou natal. Il est devenu citoyen maintenant, Wakamois maintenant, c'est fini. Euh, inspecteur Fall, qui bisboko transféré. Ragalna, wa Wakam. xam nga gars yi dañuy dañuy tëj yoon mais Wawakam, Wakam dañuy inondé Qui est dëkk inondé Qui moom bis bu Kédougou musiba Amna qui fait que l'année dernière c'était à la fête de l'excellence à Sorano les gens en ont parlé Nous avons transféré Sénégal grève on l'applaudit très très très fort et d'autant plus qu'on a on a parlé du drapeau les enfants avec l'armée nous allons chanter Sénégal mon beau pays une deux trois Sénégal mon beau pays. C'est toi que j'aime. Telle est ta devise. Le baobab, tels sont tes emblèmes. Bravo, bravo, on applaudit encore. Belle chansons de Sénégal, mon beau pays, que nous allons accueillir quelqu'un, un de vos camarades, qui est le président du gouvernement scolaire de cette école. Il s'appelle comment il s'appelle comment Donneur d'applaudissements pour Makumbalo De l'école Terme Sud, il est là, on applaudit encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort Monsieur le Président Monsieur le Président bon fi de affaire bi ñaaw taxawul nii ni, nii ñëwal ni ni, ah Monsieur le Président est accompagné Ni ça peut faire naître des vocations. Peut-être que dans cette école, il y a le futur président de la République. Peut-être que dans cette école, il y a le futur général. Peut-être dans cette école, il y a le futur directeur de la Banque mondiale. On applaudit très fort. Très bien. Monsieur Makumba vous avez la parole. Monsieur le maire de la commune de Wakam, ou son représentant. Madame Lief des Almadi, ou son représentant. Madame la coordinatrice du CODEC. Madame la directrice de l'école Terme Sud. Messieurs les directeurs d'école. Mesdames et messieurs les enseignants. Monsieur le président du CGE. Monsieur le commandant, chef de cabinet du général chef d'état-major de l'air, messieurs les chefs religieux et coutumiers, messieurs les délégués de quartier, chers parents, très chers élèves, distingués invités, nous voilà aujourd'hui réunis dans un sanctuaire de savoir pour communier dans la joie et dans l'allégresse. La levée des couleurs qui est en effet un acte citoyen. Cependant, cette activité nous plonge dans le respect du civisme et du bon patriotisme. En outre, la levée et la descente des couleurs marquent la continuité et la pérennité envers et contre tout. Par ces propos, nous vous souhaitons une excellente journée. Vive l'école sénégalaise, vive l'école Terme Sud. Merci de votre aimable attention. Monsieur Makumbolo, c'est le président du gouvernement. Je n'ai pas entendu. On dit que vous n'êtes pas content qu'il soit votre président. Monsieur Makumbolo, c'est le président du gouvernement. Un doigt pour Monsieur Makumbolo. C'est comme les gouttes de pluie. Un doigt. Deux doigts. Trois doigts quatre doigts, cinq doigts. Monsieur Makumbolo, vous êtes en quelle classe Je suis en classe de CM1A. CM1A Et les élèves du CM2 sont où Et toi, tu as, tu as battu campagne dans cette école et tu as gagné. Mais bon, tu es fort. On l'applaudit très très fort. Très très très bien. Bravo, bravo. Et euh, une question indiscrète, hein Qu'est-ce que tu aimerais bien faire quand tu seras grand je voulais être joueur de foot. Joueur de foot Je nga plus de pour am suis de léegi wa léegi moom parce que ay maîtres yi da ngay bind bind tuberculose tu as parfaitement raison mais mais mais mais tonton Casimir l'a dit tout à l'heure d'abord c'est les études parce qu'un joueur qui ne sait pas lire un contrat on va te dribbler au lieu d'avoir des milliards, on va te donner 100 francs. Tu vas te donner corps et âme et tu n'auras rien. Mais d'abord, décroche d'abord le CFE ici, tu décroches le BFM, tu décroches le bac, après tu pars quelque part pour faire sport et études, si tu veux. Mais même dans les universités, il y a sport et études. Je peux compter sur toi. Dans 5 ans, j'aimerais bien t'entendre, capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, U, 10 ou bien U20, mais en ayant le bac. Je peux compter sur toi. On l'applaudit très très très fort. Très bien. Merci beaucoup Makumbolo. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Voilà, après monsieur Makumbolo, le président du gouvernement scolaire, nous allons accueillir à présent le président du CGE, Monsieur Baldé. Monsieur Baldé, s'il vous plaît, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. gis parce que benen bi mi ngi taxaw militaire bi ok merci beaucoup Tandon. ok euh, monsieur le maire euh, de la commune de Wakam, monsieur l'inspecteur monsieur le commandant chef cabinet du général chef d'état-major de l'armée de l'air madame la directrice de l'école Terme Sud messieurs les directeurs des écoles ici à Wakam Commune, monsieur le délégué des quartiers de Cité Comico et environ, mesdames, messieurs les enseignantes et enseignants, messieurs les parents d'élèves, très chers élèves, chers collaborateurs en vos rangs, grades et qualités. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin pour accomplir cet agréable devoir civique la levée des couleurs. Au nom de tous les parents d'élèves et à ma qualité de président du comité de gestion, nous vous disons merci. Nos vifs remerciements au maire de la commune de Wokam, à l'IF, à la directrice, à ses braves enseignants et à l'ensemble des partenaires qui, de près ou de loin ont contribué vraiment à l'avancée de cette école. Merci encore une fois. Merci, merci, merci. je euh, may wax ci parents d'élèves yep présidente APE bi présidente des maires Mouifi, moi en tant que président du comité de gestion Je ma pour moi wax ci tuuru parents d'élèves ma commencé suñu gërëm vraiment ci maire bi directrice bi wax nako maire merci beaucoup merci beaucoup aussi à nos collaborateurs parce qu'il y a des personnes de bonne volonté Nous ñuy ñëw vraiment di ñu jàppale ci gestion école bi pour école bi vraiment ku xamone école bi deux ans avant wala Daw ak ren soko ko da ngay xamné vraiment amna liguey bo xamanté na tambalé nañ ko parce que paré guñu ñuy ñaan encore une fois vraiment euh, maire bi parce que ci yow lay gëna ki mom lay lay gëna gën foncé nga jappalé ñu yaangi ñuy jappalé mais dañoo bëgg nga yokk comme directrice lu mu wax vraiment dañoo bëgg nga yokk encore yaangi def nak vraiment yaangi def sa effort parents d'élèves yi content nañu élèves yi content nañu enseignants yi ñu ci condition yu bax ñuy remercier aussi armée bi fini vraiment directrice bi wax nako armée bi vraiment amuñu seen fay li ngeen gis fini nii ci walu sécurité vraiment ñoom ñoo ñuy jàppale defal nañu barbalé yi defal nañu lu né en tout cas tamit duñu faté ko koo na la nékkon mu défar ñu suñu buntu bi ni directrice koku tamit waruñu ko faté, té duñu ko faté. en tout cas on le remercie aussi de passage ñuy remercier ñëpp ñuy remercier ñëpp et on vous tend la main merci beaucoup. on applaudit très très très fort monsieur Baldé. Plus fort, plus fort encore. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. <clears throat> Et nous allons remettre le micro cette fois-ci à un grand tonton. Aujourd'hui, c'est journée militaire. Hein? Normalement, tey moom xam naa ne fii bëri na ay militaire même si ñi sax des militaires. militaire Hein? Ah, ça peut faire net des vocations gis ngeen am na ci biir ak fii ñii woy fii gis naa benn tata bu yor benn mbib fii Tata bi kaay Tata kay kay kaay xale yi gis la kaay man maay yak protocole bi tay da xale yi gis la tey xam boo demee chef bi dula wax dara mi ngi ni gis ngeen jigen la ci musique principale des forces armées on l'applaudit très très très fort voilà ça peut faire naître des vocations parmi vous les filles kan mo bëgg nek militaire bu jigen fi cam gis nga ah cam sama xarit wa CI gis nga wa CI gis nga leen Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Allez, donc, vous avez vu, ça peut faire naître des vocations. Et nous allons accueillir dans la forêt quand tout le monde est endormi. Dans la forêt quand tout le monde est endormi. Voilà, à présent, nous allons accueillir maintenant euh, le commandant-chef du cabinet du général de chef, euh, euh, son représentant, oui, l'adjudant Serigne Gueye secrétaire particulier de chef de euh, chef d'état-major de l'armée de l'air. Il est là, oui. Bonjour les enfants. Il a dit bonjour. Bonjour les enfants. Vous allez bien Merci. Monsieur le maire, de Wakam, Madame la directrice d'école de l'école élémentaire Terme Sud, Monsieur le président du gouvernement scolaire, Monsieur le président du CGE, Madame la coordinatrice du COREC, Madame l'IEF. je voudrais à l'entame de mes propos rendre grâce à Dieu le miséricordieux de nous avoir accordé la santé, la paix pour assister à cette cérémonie de levée des couleurs. Je tiens également à adresser mes sincères remerciements à Madame la directrice, Madame Diop, ainsi qu'à tous ses collaborateurs pour l'insigne honneur de nous associer à cette journée de lever des couleurs, qui est une activité républicaine. Cette cérémonie de lever des couleurs est un acte sacré pour nous, forces de défense et de sécurité. Elle traduit notre patriotisme et notre fierté envers le Sénégal et ses valeurs. En outre, elle montre le respect et l'honneur que nous vouons au sacrifice des générations précédentes à bâtir notre nation qui est le Sénégal. Enfin, elle rassemble les citoyens autour d'un symbole comme renforçant ainsi le sentiment d'identité nationale. Madame la directrice, honorables invités, chers élèves, membres de la communauté éducative, vous me permettez de partager avec vous ces quelques mots axée sur la citoyenneté. Honorer le drapeau est donc un acte majeur de citoyenneté. La citoyenneté est un pilier essentiel de notre société. Et c'est donc dans nos établissements, comme les enfants, comme la vôtre, ou bien comme votre école, que nous pouvons semer les graines de citoyenneté active et responsable. Madame la directrice, votre école est bien qu'un lieu d'apprentissage académique. C'est un espace où nous apprenons à vivre ensemble, à respecter les autres, à comprendre nos droits et nos devoirs en tant que citoyens. Chers élèves, vous formez une communauté diverse, dynamique, avec une, avec une diversité culturelle, vous venez d'origines différentes, mais vous partagez tous un même espace qui est votre école. Une même responsabilité envers votre société. Être citoyen va bien au-delà de porter un uniforme ou de suivre les règles, mais c'est c'est plutôt s'engager activement dans la vie de notre communauté c'est respecter nos camarades, nos enseignants et le personnel. C'est participer aux projets et aux actions qui contribuent à améliorer notre environnement. En tant que citoyen, vous avez également la responsabilité de protéger votre environnement. Soyez donc conscient de votre impact sur l'amélioration du cadre de vie de votre école. Car chaque petit geste compte. Je vous encourage à être citoyen exemplaire et engagé. Participez aux apprentissages et aux projets qui vous permettront de grandir en tant que responsable et en tant que personne responsable et bienveillante. Ensemble, vous pouvez construire le Sénégal et faire du Sénégal un Sénégal meilleur. Merci à toutes et à tous pour votre engagement. Que cette action de citoyenneté soit le début d'une belle aventure pour chacun d'entre nous. Je ne saurais terminer, Madame la Directrice, sans pour autant rappeler Monsieur le Président de la République, Maître Abdoulaye Wade, qui disait dites-moi quelle jeunesse je te dirai quel peuple tu seras Yalla bu yalla tas yakar. bi xale yi ñu am ñi yalla yalla def ci ñom ñu génnee ci ay président de la république génnee ci ay général tout à l'heure tonton vous a demandé kan mo bëgg nek militaire bu jigéen kan mo bëgg nek général bu jigéen Yalla na ngeen ko nek. Goor ñi yalla na ngeen nek ay pilote d'avion ay général Hein. mais lan boo koy maye Hein ah? l'on yéen loolu rek lañ demandé tonton wax na Respect, ko loolu ce lañ leen respect dépense n'est-ce pas voilà donc euh, madame euh, la directrice je vous remercie merci adjudant Seringui, c'est le secrétaire euh, particulier du général voilà nous allons enchaîner rapidement parce que les petits euh, ont mal euh, aux jambes. Nous allons accélérer rapidement. Nous allons accueillir une grande tata. Hein. Une grande tata, euh, elle est, enseignante quelque part dans Wakam. Hein. Elle s'appelle Madame Wan. Madame Wan, s'il vous plaît. On l'applaudit encore très très très fort. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Ouais. Elle est directrice d'école, hein. Et, et en même temps, coordonnatrice du CODEC boole ko tàccu bu meree fii tey ay suba du ñu amay Voilà. Bonjour à tous. Bonjour les élèves. Monsieur le sous-préfet, Madame Lief des Almadi, euh, représentée par son inspecteur de district, Monsieur Fall, inspecteur Fall, Monsieur le maire de Wakam, Messieurs les chefs coutumiers, Monsieur le délégué de quartier, Monsieur le commandant de brigade de Wakam, Monsieur le secrétaire général du chef d'état-major de l'armée de terre, Monsieur le chef d'état-major général des armées, représenté par la fanfare, ici présente, cher directeur d'école du collectif des directeurs de Wakam et d'ENGOR chers parents d'élèves, chers élèves, honorables invités. En ce jour de lundi 29 avril 2024, nous sommes là aujourd'hui pour célébrer en ce jour la levée des couleurs à l'école Terme Sud de Wakam. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, ce matin, je ne cesse de le répéter, à chaque levée de couleur est un rituel de l'administration sénégalaise, comme l'a dit M. Mbaye tout à l'heure, qui a une haute portée symbolique. En effet, cette levée de couleur est un geste patriotique et ce geste nous exhorte en tant que citoyens à honorer notre drapeau national. Ce drapeau symbolise et nous rappelle le courage, la bravoure, le sacrifice de nos anciens. Ce drapeau national nous invite également à respecter les valeurs de notre chère République. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour nous de nous remettre en question, de procéder à une profonde introspection sur nos valeurs nationales, en tant que citoyens et sur nos comportements. En effet, le contexte actuel, marqué par une sérieuse mutation, de notre société et une dangereuse dégradation de nos valeurs sociétales et républicaines nous impose de nous remettre en question. Justement, cette levée de couleur doit nous rappeler le respect que nous devons vouer aux institutions, lois et règlements de notre pays. Mais également, elle doit réveiller en nous notre fibre patriotique censée nous pousser au dépassement et au sacrifice pour la construction de notre grande nation. Pour vous, chers élèves, la levée de couleur doit éveiller en vous le sens du patriotisme et de la citoyenneté. Car vous êtes l'avenir de ce pays. Comme l'a dit mes chers compatriotes qui sont passés par ce micro. Vous devez donc avoir le respect des symboles de notre République et vous inspirer de nos valeurs nationales que nous avons légué nos grands-parents. Vous devez lutter contre la violence à l'école, la violence à la maison, la violence dans le quartier. Et vous devez la bannir, cette violence. Pour vous, les parents d'élèves, vous devez veiller à l'éducation, de vos enfants. Veillez aussi à encadrer les enfants à la maison et à faire le suivi. Car nos chers et vaillants enseignants sont à l'œuvre tous les jours. Les parents donc doivent aider les enfants à la maison. Mesdames et messieurs, Permettez-moi de remercier et de féliciter les forces de l'ordre représentées ici par la fanfare qui constitue un bel exemple de patriotisme et de bravoure et qui veille nuit et jour à la sécurité des personnes et de leurs biens. Nos remerciements vont toujours et aussi à la mairie de Wakam, au maire de Wakam, qui ne ménage aucun effort pour la réfection des écoles de Wakam. Merci aussi à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette cérémonie. Merci aux élèves, merci aux enseignants, Merci aux invités ici présents qui ont marqué cette journée. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Wan. Je vous rappelle que c'est elle la coordinatrice du CODEC. et les directrices de l'école Wacam 6, juste en face de Comico. On l'applaudit encore très, très, très fort. Et nous allons accueillir un grand tonton un grand tonton ah mon, moi tonton tonton tonton mais monsieur le maire je vous l'avais dit l'année dernière je pense bien je le répète encore moi je suis l'avocat des enfants ces enfants la plupart ne vont pas en vacances il nous faut une colonie de l'excellence ici dans Awakam même il y a des communes qui le font man dem commune di def ay de vacances mais l'ancien maire Aziz Aziz les enfants là organisent une colonie de l'excellence les meilleurs premiers de chaque classe partent en colonie de vacances toutes les écoles de Wakam privées comme publiques mobilisées vous allez voir une colonie de l'excellence et vous allez voir les résultats c'est pour booster nos enfants à travailler davantage et avoir le meilleur, les meilleurs élèves euh, du Sénégal. Moi, c'est ce que je, pense. Ce que je veux, nous avons les meilleurs élèves. Nous avons ah, président Fou Wakam le Général Fou Wakam le Dek. Wa, directeur Banque mondiale Wakam le Dek. Santé Yalla, de nyan. Tonton Aziz, bayna ko Et à présent, nous allons accueillir le maire de Wakam, Tonton Aziz, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements plus forts encore tonnerre d'applaudissements pour monsieur le maire. Merci. Bonjour à tous. Bonjour chers invités. Bonjour chers élèves. Monsieur l'inspecteur de l'IF, Madame la directrice du Codex, la coordonnatrice, Monsieur le Président du comité de gestion, Monsieur le Président du gouvernement scolaire, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, Mesdames et Messieurs les directeurs d'école, honorables invités, chers enseignants, chers élèves, chers parents, c'est un honneur pour moi d'assister à cette cérémonie de levée des couleurs. En au nom de la commune de Wakam et surtout en mon nom propre, en tant qu'ancien élève de cette école Terme Sud, je salue toute cette auguste assemblée venue célébrer cette cérémonie. C'est donc avec émotion que je me retrouve ici dans votre école, dans mon école, où j'ai fait mes premiers pas. À travers cette cérémonie de levée de couleurs, nous osons croire que vous allez davantage vous réconcilier avec les valeurs citoyennes, notamment le respect des symboles de la République et la synergie des efforts en vue de promouvoir la prospérité de la nation. Permettez-moi, chers élèves, de vous donner ces quelques conseils. Faites de vos études votre principale priorité. Travaillez sans relâche et donnez le meilleur de vous-même pour faire partie de l'élite de ce pays. Il ne suffit plus d'être bon, mais de faire partie des meilleurs. Dans ce même sillage, je vous invite à porter les vertus citoyennes que sont la discipline, l'amour, le respect du prochain, la tolérance et la persévérance en vue de mieux servir votre pays. Chers élèves, chers professeurs, je vous encourage à persévérer dans le vivre ensemble et la fraternité dans un Wakam uni et indivisible. Je m'en vais terminer par vous remercier, Madame la Directrice, pour votre invitation, mais aussi et surtout vous féliciter ainsi que tous les enseignants pour la tenue et la bonne réussite de cette cérémonie. Je, souhaite, je vous souhaite à tous une année pleine de succès beaucoup de réussite au niveau du CSCE. En effet, j'ai été élève dans cette école. J'ai fait mes premiers pas ici à côté, dans l'école de Terme Sud. Chers élèves, je m'adresse à vous. Vous pouvez être effectivement des généraux, des ministres. Wakam, effectivement, il y a... Wakam regorge de, cadres. Il y a du tout. récemment, il y a le colonel, euh, le général euh, Baba Kergué, c'était le pilote de l'avion présidentiel. On a eu des ministres, je peux citer Moussa on a eu, on a eu des membres du gouvernement, on a, on a eu beaucoup de choses à Wakam. Beaucoup de, personnalités sont sorties de Wakam. Pourquoi pas vous Moi, maire de Wakam, je suis sorti de votre école. Donc c'est une fierté pour moi de venir m'adresser à ces élèves pour vous dire qu'aujourd'hui, vous pouvez effectivement, en travaillant, avoir tout ce que vous voulez comme euh, responsabilité dans ce pays. Monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, Monsieur Moïse, j'ai bien entendu votre doléance et je peux dire ici aujourd'hui qu'on va honorer cette doléance. Euh, on va participer, à l'adjointe au maire. Je suis accompagné de l'adjointe au maire chargée de l'éducation, Madame Daytop Gay, qui est là avec moi. On va organiser cette année, Inch'Allah, si Dieu le permet, on va organiser cette euh, colonie de vacances euh, pour les meilleurs élèves. Il faut être parmi les meilleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas les bons élèves, je parle des meilleurs élèves. Meilleur, ça veut dire quoi C'est quoi meilleur élève Les meilleurs élèves, c'est les... Parce qu'on peut tous avoir 15 de moyenne, on dit qu'on est bon. Mais les meilleurs, c'est ceux qui ont 17, 18 de moyenne. C'est les premiers. Donc on va prendre les premiers de chaque école et les amener en colonie de vacances, Inch'Allah. Madame la directrice, on va poursuivre l'effort. Les efforts, c'est jamais assez pour une mairie. On va poursuivre les efforts. Je sais que vous, avez, vous avez fait beaucoup d'efforts dans cette école. Parce que quand on venait, effectivement, il n'y avait même pas d'eau. J'étais vraiment attristé de voir des bidons d'eau dans les, dans, dans les salles de classe. Mais aujourd'hui, peut-être, bon, il y a eu de l'eau. L'eau commence à couler. C'est important pour nous. Et quand on a vu la transformation de l'école, vous avez transformé cette école-là et je vous félicite pour ça. Vous avez transformé l'école. L'école n'était pas comme ça. C'est à force de travail et avec votre euh, personnel, avec vos, vos, enseignants et tout le personnel euh, de cette école, vous avez transformé cette école. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc, euh, je vous exhorte à persévérer dans cette, euh, dans cette lancée et euh, la mairie sera très heureuse de vous, de vous accompagner euh, dans ce travail. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tournez, tournez. Tournez, tournez, tournez, tournez, tournez, tournez, tournez, tournez, tournez. Les mains en l'air Les mains en l'air les mains en l'air. Je ne vous entends pas. Plus fort, plus fort. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Très bien. C'est à travers ce grand, grand, grand, grand banc. Vous avez entendu ce que monsieur le maire a dit Il a dit, vous allez partir. Mais ce n'est pas tout le monde qui part. C'est les premiers avec une très bonne moyenne. Donc vous avez intérêt maintenant à faire le bourranté dans la classe, positivement. Gang ku jël premier à dem colline de vacances ku jël premier nak ah nga xaar yalla ca Grand Yoff waaw wax bu leer la lolou wax bi mom dañ koy wax ba mu leer fi balaa ñu naaj waxuñu ko guddi bëccëg lañ ko wax et sans tarder nous allons accueillir qui un grand tonton et pour finir la journée je veux dire qui l'inspecteur chef de district de Wakam Ngor il est là parmi nous monsieur Fall s'il vous plaît sous vos applaudissements encore plus fort plus fort plus fort plus fort plus fort plus fort plus fort plus fort plus fort plus fort plus fort plus fort plus fort voilà, Monsieur Falela. Merci Moïse. Bonjour à tous. Monsieur le maire de la commune de Wakam, Monsieur le commandant, chef de cabinet du général d'état-major des armées de l'air, Monsieur le président du Conseil des partenaires et acteurs de l'enseignement privé, M. Insan Diallo, Madame la coordonnatrice du collectif des directeurs d'école, Madame Wan, le CODEC, Madame la directrice de l'école Terme Sud, Monsieur le président du, du comité de gestion d'école Terme Sud, Monsieur le Président du gouvernement scolaire, Messieurs les notables religieux et coutumiers, Mesdames, Messieurs les invités, en votre rang, titre et qualité, chers parents d'élèves, chers partenaires, cette cérémonie revêt une double importance. D'une part, elle se déroule à proximité de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor, auteur des paroles de l'hymne national du Sénégal. Vous savez tous, on l'a dit, nous avons le meilleur drapeau du monde. De la même chose que nous avons le meilleur drapeau parmi, euh, du monde, je suis persuadé également que nous avons le meilleur hymne. Quand vous entendez, quand vous écoutez battre l'hymne national, vraiment, vous avez frisson. Vous avez du plaisir au fond du cœur. Et ça me permettra d'ouvrir une parenthèse pour rendre un vibrant hommage à l'armée nationale, à la fanfare. Donc vous faites vraiment honneur au Sénégal. Je disais tout à l'heure que cette cérémonie revêt une double importance. La seconde, c'est le rôle que cette commune qui accueille cette cérémonie a joué dans l'histoire de l'armée sénégalaise. Je ne vous apprends rien, vous avez les éléments de l'armée française ici, vous avez le camp, vous êtes bref dans un quartier même de militaires. Permettez-moi donc de rendre hommage à cette fanfare de l'armée nationale qui poursuit une mission exaltante de vulgarisation et de sensibilisation de la population en général et des élèves en particulier. Donc, elle permet de partager la connaissance et le respect du drapeau national donc merci à l'armée, merci vraiment aux forces de défense et de sécurité. Je voudrais également saluer le leadership et le management d'une grande dame que vous connaissez tous, qui a conduit à transformer positivement l'environnement scolaire de l'école Terme Sud. Je vous nommer Madame Diop, Khadijatou Dia. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le visage de l'école Terme Sud a positivement changé. Donc félicitations Madame Job, Et vous savez, elle n'a, pas encore fait deux ans dans cette école. Et le visage a changé. Et j'espère bien vraiment que les résultats, les performances dans les examens professionnels, aussi bien au CFE qu'à l'entrée en 6e, vont suivre. Aujourd'hui, cette école brille de façon éclatante par son bel cadre qui donne envie à l'élève de travailler. Dans le même sillage, la coordonnatrice du CODEC est en train d'abattre un travail remarquable avec derrière avec une équipe derrière elle composée de directrices et de directeurs chevronnés donc merci aux directeurs et aux directrices. Je sens vraiment une solidarité exemplaire derrière votre coordonnatrice. Donc aujourd'hui, je suis plus que réconforté parce que c'est un travail d'équipe qui est en train de se, de se mener. Je ne reviendrai pas en détail sur le thème. Vous l'avez vraiment bien abordé. Aussi bien pour le civisme mais j'ai surtout aimé l'environnement. Quelqu'un a parlé d'environnement, c'est important. Aujourd'hui, l'environnement est une question brûlante de l'actualité. Il faudra vraiment une bataille ferme pour qu'on arrive à préserver notre environnement. Je ne vous apprends rien, vous avez entendu parler de changement climatique. Tout est inclus dans l'environnement. Donc c'est important que vraiment à partir de l'école qu'on travaille à former des citoyens respectueux de leur environnement. Je ne terminerai pas mon discours sans remercier l'équipe organisatrice. Aujourd'hui vraiment on a eu droit à une belle cérémonie, une cérémonie historique qui a vu la présence de la fanfare, la présence des autorités de marque. Donc, merci encore une fois. Et je vais terminer par les élèves. Je vais terminer par une invite aux élèves. Donc, chers élèves, vous n'avez qu'une seule mission, c'est de travailler. Donc je vous exhorte à travailler, travailler, travailler, comme disait le président de la République, Maître Abdoulaye C'est en ce moment-là que vous allez parvenir à semer les graines euh, qui vous donnera une récolte future. Donc restez travailler, restez dans l'excellence. Donc euh, c'est un jour vous allez récolter les fruits de cet effort-là. Donc merci encore une fois pour tous ceux qui, sont, ceux qui ont fait le déplacement et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à, cette, euh, à la réussite de cette cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, beaucoup, inspecteur Fall. Merci aux euh, au chef d'établissement. Merci aux autorités qui sont venues. Et la cérémonie tire à sa fin. Et nous ne pouvons pas finir sans remercier les habitants de la cité Komiko, dont l'école est vraiment au centre. On les applaudit très très très fort. Waouh Sans oublier aussi M. Sega Diagne. Sega un grand remerciement à vous aussi. Nous, nos remerciements aussi à M. Mbaye Serigne hein. Nous euh, remercions aussi le commandant Ousmane Djaou de la douane. On applaudit très fort. Nous remercions aussi euh, le, docteur Cher Marega. On l'applaudit très fort. Vous voyez les tontons et les tatas qui sont là, les papis ont reçu des sachets. Et aujourd'hui, il y a une grande dame, Abimari Diop, nous a fait l'honneur de nous donner le petit déjeuner. On l'applaudit très très très fort. Et c'est son anniversaire aujourd'hui en même temps. Joyeuse année. Tout le monde, joyeuse année. Joyeuse anniversaire, Abby. Joyeux anniversaire. <coughs> Très bien. Nos remerciements toujours à l'association des anciens élèves de Terme Sud. Ils sont là parmi nous. Hein. On les applaudit très très très fort. Nos remerciements aussi vont à, à Pentium Dakarou, qui sont là aussi. Aussi à l'unité citoyenne de Wakam. On les applaudit très très très fort aussi. Mais tonnerre d'applaudissements pour l'armée de l'air. On les applaudit encore très très très fort. Mais, mais les enfants, les enfants, un doigt, un doigt pour la musique principale des forces armées. Un doigt comme les gouttes de pluie comme les gouttes de pluie deux doigts comme ay taw comme taw deux doigts un doigt deux doigts un doigt deux doigts trois doigts quatre doigts cinq doigts si tu as la joie au cœur tape les mains si tu y as la joie au cœur tape les mains si tu y as la joie au cœur, si tu y as la joie au cœur, si tu y as la joie au cœur, tape les mains. Si tu y as la joie au cœur, tape les pieds. Si tu y as la joie au cœur, tape les pieds. Si tu y as la joie au cœur, si tu y as la joie au cœur, si tu y as la joie au cœur, tape les pieds. Si tu y as la joie au cœur, claque la langue. Si tu y as la joie au cœur, claque la langue. Si tu y as chèvre cœur si tu y as la cœur si tu y as chèvre cœur claque la langue. Si tu y as chèvre cœur claque les doigts. Si tu y as la cœur claque les doigts. Si tu y as chèvre cœur si tu y as la cœur si tu y as chèvre cœur claque les doigts. Si tu y as chèvre cœur dis merci. Si tu y as chèvre cœur dis merci. Si tu y as la joie cœur, si tu y as la joie cœur, si tu y as la joie cœur, dis merci. merci. Si tu y as la joie cœur, dis au revoir. Si tu y as la joie cœur, dis au revoir. Si tu y as la joie cœur, si tu y as la joie cœur, si tu y as la joie cœur, dis au revoir. C'est à travers cette belle chanson que nous vous, avons, nous vous disons merci et une très bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup.